Merci, à bi ki merci monsieur euh, wa wa monsieur le directeur des industries de transformation de la pêche monsieur les chefs de division de la DUTP, monsieur les doyens chers invités chers enfants l'honneur me soit aujourd'hui de prendre la parole au nom de tout le personnel de la direction des industries de transformation de la pêche pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de cette fête organisée à l'honneur de nos enfants. Cette, cérémonie, qui se veut tout d'abord un cadre d'échange convivial et de communion entre nous, Monsieur le Directeur, et nous, vos collaborateurs, offre également l'opportunité de partager des moments de joie avec nos familles respectives et les enfants en particulier. Chers enfants, vos parents font de leur maximum pour vous mettre à l'aise et la seule récompense que vous pouvez leur donner est d'être sages, obéissants, travailleurs et respectueux envers eux. Je formule le vœu que chacun de vous les enfants que je vois devant moi, l'engagement qu'en fin d'année scolaire, je vous exhorte, euh, vous aurez obtenu les meilleures notes dans vos classes respectives. Vous m'écoutez bien les enfants Cette cérémonie, je vous exhorte à faire montre de dévouement, d'ardeur au travail et de don de soi pour renforcer les acquis et cultiver l'excellence. Car, comme vous le savez, Victor Hugo, le droit de l'enfant, c'est d'être un homme. Ce qui fait l'homme, c'est la lumière. Ce qui fait la lumière, c'est l'instruction. Ainsi, je remercie, au nom de tous les agents de la DTP, Monsieur le directeur, encore une fois, merci, merci beaucoup, vraiment pour l'honneur que vous nous avez permis, dont le soutien de toutes sortes, notamment financier, et le socle de cette belle fête pour nos enfants en dépit des difficultés qui ont émaillé l'année 2023, vous avez tenu à réussir à nous gratifier d'un soutien consistant pour l'organisation de cette arbre d'année. Encore une fois, merci directeur. Soyez en remerciés. Les responsables des sociétés qui n'ont aménagé aucun effort pour appuyer cette belle cérémonie, qui d'une manière désintéressée ont également généreusement contribué à cette communion. Mention spéciale à M. le gestionnaire de la CPA qui nous a appuyés pour qu'on puisse octroyer cette salle pour faire la belle fête. Mes remerciements et félicitations vont à l'endroit de nos doyens qui étaient en service et qui sont toujours parmi nous et nous leur remercions vivement nos doyens qui nous ont beaucoup appris quand nous étions avec eux. Merci encore une fois, nos doyens. Mes remerciements et félicitations vont aussi à l'endroit de tout le personnel qui ont fait confiance à la commission sociale pour organiser cette cérémonie, qui n'a aménagé aucun effort pour la réussite de cette cérémonie, que ce soit la commission. Je vous exhorte, chers collègues, à être plus énergiques par rapport aux cotisations de la caisse sociale qui est une initiative de cohésion, de familiale et d'amitié et de relations fraternelles. En moins d'un an d'existence, la Caisse a réussi à mettre en œuvre des actions de solidarité. Pour ne pas manquer, il y a les mariages, les baptêmes, et aussi les décès. En direction des familles, et notamment des agents et membres de leur famille. Je ne saurais terminer sans prier pour nos collègues est proche, arraché à notre affection. Encore une fois, que paix à leur âme, que Dieu les accueille au paradis. Qu'Allah leur fasse miséricorde et leur offre une place de soi dans son fil Que Dieu le Tout-Puissant, notre chère direction et notre cher ministère, le ministère de la Paix et de l'Occident maritime, je souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2024 que cette année soit porteuse de réussite, de bonheur, de prospérité et surtout de santé. Que 2024 soit rempli de joie et de sérénité. Bonne fête à tous. Merci beaucoup. Salam alaikum mbolo mi. maa ngi gërëm ñëpp di matin maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp ah lii ku doyul dara dootu la doy di di njëkk directeur bi ak staffam bi yëpp chef de division yi ak inspecteur yi ah, ndax lii ci au nom des doyens defe naa doyens yi jóge DITP yëpp li may témoigner fii dama ragal sax dama koy dama koy tronqué ndax ku fi toogoon ci doyen bi li may wax tey tey tey lu wér lay doon te dëgg lay doon ci noonu du waxu ngistal dama leen di jox exemple rek ñun liggéey nañ trente ans quarante ans ci administration des pêches ñu dem ñu dem retraite di ma leen mën a firi DITP def naa direction yu bëri mais direction des pêches man marqué na ma nan la ma marqué ci bi ma nekkee en activité ak bi ma nekkee hors d'activité bi ma retraité bi ñuy dem retraite defe naa quatre la ñu woon te quatre yooyu yëpp invité nañ leen p dañoo def benn cérémonie daje pour ñun gis ngeen jasneer bi ma jot bi ma sol j'ai fait exprès de l'amener parce que daf ma rappeler lu bëri bi ñuy dem retraite directeur direction DITP dañ ne dañuy sargal suñu employé doyen yi dem retraite ku nekk mu solal la sol bu rafet jox la lu bëri ñaanal la ne dem leen addina di daw di daw ma defe ne xëj na ñoom DITP dañuy kii rek mais ba ñu génnee ba léegi yàlla ku jax ku xam DITP solidarité bi fa nekk man weer du weer chaque weer damay jot teraanga bu jóge DITP weer bu nekk nag weer bu nekk chaque mois damay jot teraanga buy jóg ci DITP te xam naa teraanga boobu ëpplewu ma directeur ëpplewu ma c'est teraanga boo xam ne loolu dafa sax ci DITP di ñaanal waa DITP ñun ñi nga xam ne ah dem nañu retraite ñu ngi leen di ñaanal fi ngeen bëgg a yóbbu direction bi ngeen yóbbu ko fi nga xam ne daal moom moo nekk antelier ñu ngi leen di ñaanal ñun ñoom Ablaye Sy ñoom Maguette mbay ñoom booy Ndiaye ñëpp ñi nga xam ne dañoo retraité di DITP ndax lii sagg la man falu daf ma woo barka dëmb ma nekkoon mission ci benn ci terrain bi la ma woowee daanaka semaine bi yëpp dama ko tëdd falu xam na ne wax bi ñu waxat sax leerul dama soj mu ne ma ah doyen ñun de dañoo am benn arbre Noël bi ñuy organiser ñu yaakaar ne comme yéen da ngeen ñu marqué bi ngeen nekkee activité ngeen ñëw ngeen nekk invité d'honneur ma ne ah yow falu loolu diis na de mu ne non noo non Fallou man damaa wérul mu ne noo ngeen mën a def ñëw ma seede leen ne nekk naa activité nekk naa activité pendant trente trente cinq ans arbre Noël bi ma nekkee aadama mosuma koo fekkee. dañu ñëw ma mbaget may dañu naan ko cotiser rek man dinaa cotiser samay kadoye doom dañ ma koy indi sama kër mosuma assister arbre Noël mais lu wax ma lii ma ne ko nag sincèrement parler même su fekkee ne dañ ma damay raam sax dinaa dem ba ñu gis ma ndax liñ ma jiw bi ma nekkee en activité ak bi ma nekkee hors activité vraiment dama leen mënul fay ñun muñu Ablaye si su fi toogoon mën na wax lu ëpp lii ma dama mënul wax ci mbooloo mais sincèrement parler équipe DITB bi de marqué na ma man damay rus commencé ko piccaru directeur bi cieur bi ma jox xam nga nee kilifa du touti, mais kër bi ma directeur bi waxuma la ñeneen de kër bi ma directeur bi jox sincèrement parler daf ma yeb daf ma jox respect amul lenn lenn lenn lo xamne ne bi ma ak bi ma rawatina aussi même agent bi gën touti sax ci bir DTP man fiñ ma teg dama def ne est-ce que man liggéey na ko DITP est-ce que amona jam jàmm boobu ak ñoom te lolu ñepp mën nañ ko seede dal peut-être euh, comme kii bi dafa guddi man maa ngi leen di seede ne ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy anciens yi ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant di leen ñaanal fi ngeen bëgg a yóbbu service bi yàlla na yàlla bëgg itam te jàmm bi am seen diggante bi yàlla na leen ko yàlla fanqal ngeen nekk benn nekk jam am salaam jërë ngeen jëf waay jërëjëf ah, bonsoir tout le monde après vraiment les discours de El Hadj Fallou et de doyen Diouma Thiaw je ne peux que compléter leur discours par des mots de remerciement à l'endroit des collaborateurs avec qui j'ai cheminé pendant plus de dix ans, avec d'autres avec qui j'ai cheminé beaucoup plus récemment. Je commencerai par les chefs de division, notamment il y a Masahir Diagne qui est là, Momarka, il y a également les deux autres chefs de division qui sont représentés par les membres de leur famille, à savoir Aline Badara Ak et euh, Doudou Gueye. Il y a également le gestionnaire de la CPA qui est mon binôme. On est ensemble depuis 1999. Il s'agit de M. Mamordour. À cela s'ajoutent également nos doyens, doyen Jumachao, doyen Laïsi qui est en cours de route, et notre double Adjaratou, Magen Mbaye, Ibrahim Ndiaye qui s'est excusé également, il a une cérémonie à Thiès. Dire qu'on est une famille à la DITP et j'ai toujours eu à le répéter. Heureusement que j'ai eu l'occasion de l'éprouver puisque je suis sorti un peu entre-temps. J'étais parti à l'université et j'ai vraiment constaté que la cohésion et la solidarité qui existent au niveau de la DITP n'existent nulle part. J'ai essayé d'installer le système de la DTP à l'université, mais euh, avec une peine incommensurable. Des fois, d'aller en délégation réduite. Dire que vraiment c'est quelque chose qu'il ne faut pas vraiment euh, tuer en quelque sorte. les doigts nous l'ont légué. Donc nous également, on doit tenir haut le flambeau pour que la jeunesse, les recrues de 2016, les recrues de cette année-là, c'est sûr que d'ici 15 ans, 16 ans, on va vous laisser avec les services. Donc vous également, vous devez être solidaire et maintenir cet acquis-là. Dire que je vous ai rejoint en cours d'année et on a travaillé très dur, la main dans la main, pour au moins atteindre nos objectifs, malgré les moyens qui ne suivent pas. Donc c'est l'occasion vraiment pour vous dire merci, que ce soit les chefs de division, que ce soit les chefs de bureau, que ce soit les secrétaires, que ce soit les, les, les chauffeurs qui vraiment se lève très tôt et se couche très tard, rien que pour non seulement nous récupérer à partir de chez nous, nous conduire au service, mais également nous déposer eh, dans des conditions vraiment sûres. Malgré la vieillesse des véhicules, malgré vraiment les embouteillages, ils l'ont toujours tenu bon. Mes remerciements vont également à l'endroit de nos doyens, comme je l'ai dit tantôt. Ils nous ont accueillis à bras ouverts quelqu'un comme ici, quelqu'un comme Maguenbaye. Au moment où j'étais stagiaire, je l'ai trouvé au bureau. Et depuis lors, on ne s'est jamais quitté. Certes, ils sont allés en retraite, mais on est toujours ensemble en famille et ils nous le manifestent à chaque fois. Remercier également, comme j'ai l'idée, les autres collaborateurs, que ce soit les, les, inspecteurs, le courrier, tout le monde est dedans, les agents de saisie et tout le monde. Donc on est une famille, comme j'ai l'habitude de le dire. Remercier également les parents qui sont là et leur demander pardon, puisque la DITP, c'est comme un privé. On travaille au rythme du privé, on est obligé de se lever très tôt, mais également de se coucher tard. Il arrive des moments que j'appelle des chefs de division ou bien des chefs de service. Certainement, ils sont autour du bol et ils sont obligés des fois de répondre par rapport à nos sollicitations. On est un corps d'inspection, un corps de contrôle, donc on travaille au rythme du privé. Vous allez nous excuser puisque vraiment, on n'a pas trop de temps pour vous. Également pour les enfants, euh, je vous exhorte à travailler bien à l'école. On est là, on fait des sacrifices pour vous mettre à l'aise, se lever très tôt, essayer de vous mettre dans des conditions pour aller à l'école avant d'aller au service. Vous également, vous devez mériter ces sacrifices-là en faisant quoi En faisant partie des meilleurs. À chaque fois que vous faites l'effort d'être parmi les meilleurs, vous allez non seulement satisfaire vos parents, mais vous aurez également une récompense qui va suivre après. Bon, je vais prononcer quelques mots en Wolof, puisque peut-être il y a d'autres qui sont là qui vraiment ne vont pas comprendre. Je vais remercier ñëpp collaborateurs qui nga là, ne ñoom service yi commencé chef de division yi gestionnaire CPA mort, le doyen du Thiaw ak doyen ak doyen doyen laay

jéggalu également parents yi jéggalu soxna yi day DITP comme nima ko waxee corps de contrôle la da ngay téla a nek nekk ci terrain bi di fonctionner ci rythme usine yi ak rythme bazo yi bo bëgg a document yi tardé que document bu tardé rek xaalis bo xam dang da ñak lo nit la motax dañuy ñafé de sorte que yoy ñu mën ci nekk moy nak nek fu fi nit ñi ñu ngi gorlu di ray sen bop pour que au moins liggéey bi gëna jaar yoon ma ngi joxe sank exemple chauffeur yi nga am ñoñu ñëk yew me ñoñu mujjé tedd auto yi baaxul me ñu ngi lu ci débourier légui élève yi nga xamné ñoy suñuy dom dama leen né ñun dañuy sacrifier wu chaque suba teel nga yew défar sa dom mu dem liggéey bala nga mu dem jàngi bala nga liggéey li ñuy def ni dañuy fexé pour bégal leen yeen également pour ngeen bégal ñu moy lo leen def moy ngeen jang jang rek lañ leen sant jang leen bu baax bok si ñi nga xam ne ñoo gën école ba bu boba ñun ñi nga xamni ñoy seen wajur dinañ ci contane mais également yeen ci kanam di ngeen gis bi parce que ku jangul do tari waaw te wo ku wul do fayeeku kon nak lool la am lumay lumay wax mbolo mi di jéggalu bu kaddu gi dëngee ngeen xamni ci man la mais yeen gi ëppon na lool jërëjëf te ñu ngi déclarer fête bi vraiment mu ouvert nañ enjoy bu baax remercier également ñi nga xamne moy traiteur yi remercier animateur yi remercier artistes yi Remercier également notre doyen Père Noël. Remercier également Thiamas. Remercier également le comité d'organisation bi nga xam ne ñoom ñoo réussir lii muy sëñ Fallou ak Baye Dame Assou suñu tante ñun ñep mom malheureusement dafa am xew dañ ko ndeyale tay motax bu jul ñew ci xew mais représenté nañ ko fi domam yaa ngi ci ginnaw bo len demee ngeen sen ngeen ne sa yaay ñu ngi koy remercier bu baax ci ouf gi ouf ñi fi nekk fi mu nekk ni ci doyen yi la bok te uuf na ñëpp ba ñu waxee lii da cee xar tànk tubéyam ne force dañoo wara a li fi ne warul yàqoo suñ loxo ñu nee leen ko ñun lim ñu soññ ñu ngi ci bu baax a baax a baax solidarité moom ak social bu amul fenn rek animosité mooy am te animosité bu amee dara du dox di ngeen gis ñii di meroo fii ñii di tongoo fii mais loolu amul day teepee wala boog bu amee man yeguma ko waaw loolu daal laa amoon lu may wax te vraiment di remercier ñëpp di ñaanal ñëpp Thiamas jéggalu gi mom jaru ko ñun jéggal nañ la bu yag waaw merci beaucoup jërëjëf jërëjëf. merci beaucoup beaucoup d'applaudissements s'il vous plaît. beaucoup merci beaucoup. bu ñu mënee réussir lu toll ni c'est parce que ñu bari japp nañ ci donc ma ngi remercier vraiment collaborateurs yi muy collègues yi d'une manière générale di remercier également comité d'organisation bi moy ñi nga xamné c'est le comité commission sociale bi nga xamné ne El Hadj Fallou moko diriger dirigé bàyyi daam ko ci bu baaxa a baax di remercier également doyen yi nga xam ñom dañ leen invité won ñu ne suñu invité d'honneur remercier euh, animateurs yi remercier leen yeen ñi nga xam ne ay tax ba li ñuy def fi mu mëna génn remercier également euh, les artistes vraiment remercier parents yi remercier xalé yi également soñu leen pour ñu gëna mëna jang a roy ci seen wajur yi comme ça bu dewee bu ëllëgee ñu mëna a tekki yor réew mi di wax collègues yi également nañ gëna a góorgóorlu liggéey bi gëna a également liggéey taxul nga baña social ñu góorgóorlu ci liggéey bi rek góorgóorlu également entretenir ay relations yu saines yo xamné ni vraiment kenn du jéppi kenn ñun ñëpp ñu liggéey ensemble la main dans la main pour vraiment réussir mission yi ñu dénk yi nga xam ne si kóoluteewu ministre Pape Sagna Mbaye ak kóoluteewu président de la République Macky Sall motax ñu tok fi, nek sen kanam ñom également accepté nañ lolu ñun ensemble on travaille pour vraiment atteindre objectif yëpp il également difficultés yi fi am yépp que ça soit intrinsèque au service ou bien que ça soit vraiment des difficultés liées à la conjoncture ñu dem ba mun surmonter carrément en faisant quoi en s'appuyant sur les leviers que sont l'aquaculture mais également la valorisation merci beaucoup ok jërëjëf bu mënee réussir lu toll c'est parce que nous bëri jàpp nañ ci donc maa ngi remercier vraiment collaborateurs mes collègues d'une manière générale di remercier également comité d'organisation bi mooy ñi nga c'est le comité commission sociale bi nga xamné ne El Hadj Fallou moko ko dirigé bàyyi dam jàppale ko ci bu baax ba di remercier également doyen yi nga xamné ñom dañ leen invité won ñu néwon suñu invité d'honneur remercier euh, animateur yi remercier leen yeen ñi ngeen xamné ne ay tax ba li ñuy def fi mu mëna a génn remercier également euh, les artistes vraiment remercier parents yi

Nous avons xam ne ministre Pape président de la république Macky Sall ñu nous avons également accepté nañ Nous, ensemble on travaille pour vraiment atteindre l'objectif. Nous avons également difficultés yi fi que ça soit intrinsèque au service ou bien que ça soit vraiment des difficultés liées à la conjoncture nous devons les surmonter carrément en faisant quoi En s'appuyant sur les leviers que sont l'aquaculture, mais également la valorisation. Merci beaucoup.